Vous êtes à Colda et vous cherchez une bonne école pour vos enfants Les cours privés foirés sur la route du camp des gardes, après la pharmacie Enzala 6 vous informe que les inscriptions et les réinscriptions ont démarré et se poursuivre de la sixième à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat, les cours privés foirés présents dans le paysage scolaire coldois depuis 2013 garantissent à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdoulaye Dieng, directeur des cours privés foyerés au 77 764 68 04 77 034 32 51 ou encore le surveillant général M. Babambalo, ex-surveillant Sem Hillel au 77 559 30 42. Les cours privés foyerés, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement-apprentissage, le tout dans un cadre d'études. Cours privés Foiré REC, te bala. Allez, bonsoir à tous, bonsoir à tous et merci de nous avoir participé sur la euh, de TV et bienvenue dans, ce, euh, dans cette euh, émission, émission dénommée sans 100% culturelle sur la DPS TV. Et ce soir, nous avons eu le plaisir d'accueillir un jeune rappeur très talentueux qui est en train de faire beaucoup de progression dans le domaine du, rap au milieu, au milieu musical. ici encore la même. Mais aujourd'hui, celui qui est en train de faire des bombes, bombes dans le milieu musical, mais également dans les, euh, dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde en parle de lui, sa musique et son très très engagé qui vient de sortir. Euh, c'est dans cette émission euh, 100% culturel, nulle part ailleurs, euh, sur la dépêche TV que nous allons aborder toutes les différentes questions, tant professionnelles, artistiques, mais également un peu de questions privées. Dans cette émission, nous avons eu le plaisir d'accueillir ici même sur, sur ce plateau Abba. Oui, Abba, bonsoir. Comment vas-tu Ok. Et voilà, chers vous avez très bien compris. nous sommes ici avec euh, Abba, le jeune que vous voyez qui est euh, morphologiquement, physiquement, vous avez dit, Il a, euh, franchement, nous n'avons pas grand-chose à vous dire. Vous-même, vous pouvez constater qu'il a une morphologie, franchement, artistique. Abba, nous allons entamer directement avec les questions avec toi. Et

on que côté matériel matériel, ne va mais fait que côté musique nous on va Ok, vous avez bien compris euh, euh, son nom d'artiste qui est Abba et Boubacar Kouli qui est son vrai, véritable nom sur la, euh, sur la carte d'identité. C'est un bonus, c'est un plus pour des gens qui ont l'habitude de voir et qui ont l'habitude d'entendre ses chansons, ces musiques et qui ne connaissent pas son, son véritable, son véritable nom. Et Abba, nous allons enchaîner des chansons avec, avec toi et et quand est-ce que tu, as ressenti le goût de chanter, que tu vraiment que tu t'es senti un peu vacciné par la musique, tu dis que voilà, c'est euh, maintenant, euh, voilà, j'ai le goût maintenant de, chanter. C'est à quelle année Waouh, on année 2012 on l'a commencé là. avant 2012 presque musique

Vous avez euh, très bien compris, vous êtes toujours dans votre émission d'art à 100% culturelle. Et voilà, vous avez compris que Abba c'est en 2012 qu'il a, a eu le plaisir, euh, qu'il a eu euh, euh goût de chanter, de ramper. Et, mais Abba aujourd'hui, on, t'a dit maintenant que tu n'es plus dans un groupe et tu, tu vas en solo. Maintenant, ta carrière solo, ça a commencé en quelle année waaw sama période solo man ko commencé deux mille dix neuf mais peut être ñu yàgg xam xabaar wala seeti jëlee sax laa wax waaw yàgg nañ def ay sound yàgg nañ def ay concert yàgg nañ def ay bagage yu bëri biir jëlee la waaye mais peut être yàlla dafa def ak lu temps bi di demee benn moment ndax ni ñu doon commencé ram ñoo ngi nekkoon quatre personnes ak man ñuy cinq mais ak temps bi ngay dem li ngay dem gis nga yàlla bi carrière c'est en 2019 que tu as commencé euh, la carrière solo. Et aujourd'hui, tu as combien de singles par rapport à 2019,

manam bi muy réglé soom sax man dafa ada ba dépassé yàlla def tam ñu def soom bi soom bi jëm fii naa so yàlla def tam ñu am ci ay retour yoo xam ne sax man foogee ma woon ci musique bi yàlla defee après boobu jënd mooy presque toog nag ay quatre mois cinq mois def mu dara yow ci lañ ko génnee si mooy la ëpp ci lépp jàmbaar bi ñu defee loolu ñu toog trois mois yàlla def ñu gën a am benn saa freestyle bi quoi mooy jël non à chaque fois la freestyle léegi nag dernière son bi bien, génnee nii moom tout moo tudd télé mon dernier leen ok et voilà euh, chers internautes si nous pratiquons sur la euh, sur la diversité nous sommes toujours avec euh, le jeune rappeur très talentueux et qui est en train de faire des bons dans le milieu musical ici à même, mais aussi dans les réseaux sociaux à travers son nouveau signe qui vient de qui vient de mettre en place et et nous allons très bien

Et voilà, chers dans notre avez bien compris le choix de ce titre. Euh, télé, télé c'est le reflet de la société sénégalaise parce que tout simplement, c'est un chant vraiment qui parle quasiment les réalités sénégalaises aujourd'hui et, et, voilà les précarités que nous vivons ici au Sénégal. Et là, aujourd'hui, qui est en train de euh, dénoncer être là aujourd'hui comme un grand porteur de voix et aujourd'hui qui est en train de jouer son, euh, rôle avec euh, beaucoup d'engagement et beaucoup d'enthousiasme. Alors, à euh, avant, on a dit que est son très engagé Et même aussi, ça parle entre le conflit, son cours Matissal. Alors, c'est un truc qui vient de passer tout récemment. Et voilà, mais et, et pourquoi cet engagement Pourquoi cet engagement Parce que c'est une grande oh, dans une précarité ou bien euh, pourquoi cet engagement waaw on naan en jiitu ça, mhm. son bi boo xoolee ba si biir boo dégloo liñ tàmbaat da ngay xam ni son

Et pour euh, ceux qui, ne connaissent pas euh, ce nom, euh, voilà, nous sommes pratiquement avec, toujours avec lui. Et voilà, il a sorti un son aujourd'hui qui est en train de faire de boom dans le milieu musical. Et aussi, mais dans les réseaux sociaux également. Donc, c'est un grand plaisir pour nous, là-bas d'écouter ce son-là dans cette émission et partager ce son avec nos internautes. Donc on va mettre ce son on va mettre ce son-là, et euh, voilà, vous allez jouer et vous allez vraiment nous faire kiffer ce son et partager avec, euh, avec, euh, nos, internautes. Voilà. Si le son est prêt, on peut lancer. voilà,

mais ñu bëgg ay nga te sa nguur gi dafa jële amuñu ñun foo ñu jëmee élève bi di jàng sacrifié avenir u demee santé bi wax yi noppi justice bi dafa ko jëlale baykat bi ñàkk suuf fam ndax amul doole licence sàmbara mool bi jaaxle suñuy rongat musul fer ñun la néew bi ne promesse na mees fajoo suñuy soxla tey jur ay sectoral faw yar yi dalla bu fekkee c'est na waar ma ngi dul lii nga ñu waxoon sénégalais yëpp maar deru Parce que là, ça c'est des boum boum boum boum boum, parce que là c'est ce que j'entends ici. Et franchement, c'est très internautes, moi je suis très très ébahi. Je suis très très ébahi parce que ça, ça c'est des vrais arts. Arts qu'on écoute ici. Le message est très fort le message est très fort, très très engagé, et parce que si on parle ici dans cette chanson-là, et franchement, c'est un message très très fort, le message est fort, est fort, très fort. Ah bah, euh, je vois que franchement, euh, le message est très fort, hein. le message est très fort, très très engagé, euh, franchement, voilà. C'est extraordinaire, quoi, franchement. Et on a vu sur les réseaux sociaux, bah, tout ben, ça parle un peu partout. Mais euh, est-ce Abba a une page euh, personnelle, par exemple euh, Est-ce que tu as créé quand même une page YouTube ou bien c'est en cours Oui. waaw soo la nag am une page YouTube. ok a une Facebook. d'accord am nañ Instagram. d'accord waaw soo Vous faites fekkee sama page euh, Facebook. soo ko liggéeyal ak Abba Poli dafay Abba Poli oui vous avez mis les sons oui les sons là-bas ah. ah voilà voilà voilà donc euh, nous aurons le plaisir euh, ici dans cette émission euh, émission d'art d'art 100% culturel nous allons accueillir votre grand manager euh, parce qu'en artiste, tu ne peux pas partir euh, aller comme ça en solo. Et forcément, il y a quand même euh, quelqu'un qui est, qui est là, qui est dans l'ombre, qui est en train d'assurer tout. Donc nous allons accueillir le grand manager des ABBA et qui est mon technicien et celui qui assure tout. Et je l'homme tout simplement Kana. <laughs> Je eh, frère. Mais c'est comment Ok là eh, bah, Partout, moi j'entends Cana, Cana, Cana dans le milieu euh, de, la, culture. Cana, franchement, tu entends, à chaque fois que tu entends culture, culture, à là, on entend Cana. Mais c'est quoi le secret le moi, hein. mhm. kawan-kawan tu kita welcome ke Malaysia dan jom mm-hmm. yang kita tunais di le sini tahun sahaja. Mana lima firman kita, mana info yang baru ini sini kita buat. avant man maa fi fii bàyyi naa rap dama do rap mais bàyyi naa rap. donc mënuma bu ma bàyyi rap ba léegi maay ngi gis ci dëkk bi benen façon mu ngi ñëw mu ngi juddaat. donc mu xam ne loolu noonu arrangé wu population bi. parce que avant tout hip hop dafa am fu basé wu quoi. hip hop naqaar la quoi yaa comprendre donc ma gis gars yi di def beneen façon mu joué yaa comprendre donc moo tax ma ne bàyyi ma ñëwaat ci culture bi. man bàyyi naa mais bàyyi ma ñëw dimbale samay bokk waaye nga xamante ñu ngi fi am nga di yee population bi. parce que foofu nga mën a jaar. Vous nous pratiquez sur la DBS TV, euh, dans votre émission d'Abda, 100% culturelle. Mais euh, le nom Ghana, c'est pourquoi le nom est. Est-ce que c'est est le nom, euh, voilà, je ne sais pas, euh, c'est un pseudo ou bien euh, c'est le nom de, sur la carte d'identité Non, non, moi je me trouve Samba Boiro.

ok, voilà. Moi, quand moi, moi, moi, D'accord. Et voilà, chers internautes de tout ce qui nous passe toujours la dépêche euh, TV. Et eh, vous êtes toujours dans votre émission d'Arda 100% culturel, euh, la relation entre toi et Abba. Eh, qu'est-ce qui a mené cette relation Bah, Abba. Ah. Euh, <laughs> D'accord, ouais. comme nous m'en avons waxé wala nous ma bay rap dama togal fi ni euh ma gëjë dem ay concert wa dëgg na fa yalla parce que tamit euh da ngay bay lepp di ngay def nga dem concert xam nga taxaw ba nga sonn do am lu la neex manam nga don dëgg gaay boy gaay di boy xam nga la mo lu ci gëna bëri wala ñoy tok di santé mo xam ne lool amul amul sens hmm. amul benn njëriñ parce que boo xoolee ñun suñu temps lu ñu nar dafa bëri fi nii quoi. Mm-hmm, mm-hmm. suñu mbéy nga xamante dañuy jóge 6h du matin ñëw ci marché bi diko jaayante jaayanteel. Mm-hmm. ñooñu ñu ngi fii nii ba pare gaay di jël seen xaalis yaa comprendre té te du gis benen euh, benen euh, affaire bi nga xamante ñom ñoom day gën a yomb seen laaj seen laaj mu ngi métti rek yaa comprendre donc mu ñëw benn jour suivre benn concert bi nga xamante ni élément ñoo ko defoon. kii mosuma ko xam bay abaa si concert boobu noonu laa ko xam. macha bu ma taxee di suivre concert bi.

yaa ngi comprendre mais kii bu ñu ko jàppalee. non day dem quoi day dem quoi yaa ngi comprendre moo taxit bon dafa wàcc rek ma ñëw. man ko bro xam nga waxtaan ak moom daal def connaissance bi xam nga affaire bi jël pourquoi pas dama ko gunge quoi donc mu ngi noonu quoi ok et eh, voilà cher euh, cher internautes euh, vous nous pratiquez toujours euh, sur la Dépêche TV vous êtes euh, toujours dans votre émission Dardar solution culturelle nous sommes euh, bah, à bas et le grand artiste très talentueux très engagé et avec son manager et Kana en tout cas, eh, voilà. Eh, eh, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur culturel que tu es, tu es très connu à Kolda, dans le milieu, euh, culturel, avec euh, tout le talent que tu as et ce que tu apportes. Mais à part Kana, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à accompagner d'autres talents Bien sûr. Parce que, euh, non, non, moi, Tadi uh, uh, uh, ah, lah, kan, ni man objektif. Masa muka objectif quoi que ma dégg ne fa yàlla pour que tey jii gis artiste Kondo ay tamit ñu valoriser leen quoi maanaam coono la ngay def benn affaire bi nga xamante ni dafa gis benn rendement. ngay comprendre pourquoi pas ñu ko doy ñu mën a nekk benn ngay comprendre ñu mën a liggéey culture bi parce que jamono bi c' est le moment quoi. Ah. Hmm. boo xoolee lah, Sénégal xam nga Kolda doo ko gaaw a doo booy bu ñuy limp.

donc pourquoi pas nous tamit euh, beaucoup de ñëwuñu rek parce que Kolda affaire dafa mhm. mais nous nekk benn xam nga ñu respecté affaire bi euh, euh, ñu valoriser artistes quoi. Ok, et voilà, chers auditeurs, vous êtes toujours dans votre émission la sanction culturelle. Nous sommes toujours avec ce grand talent et que j'ai eu plaisir, franchement, d'être avec lui. Et voilà, vous n'allez pas regretter, Inch'Allah, mais fuiter dans, son, euh, dans sa page YouTube et télécharger ce son. Et franchement, vous allez kiffer euh, le véritable art. Abba, euh, ton dernier mot. Waouh, ça m'a dernier mot. Ok.

bon di char gars yi di char Padois yi donc euh, si sama gars ni dina dawal comme nous koy waxee rek ñu favoriser suñu rappeurs yi. tu peux lancer un appel à l'endroit de tous les rappeurs quand même. vraiment vraiment vraiment si voilà di si doon voilà c'est ça nañu nañu respecter suñu artistes yi nekk fii nii. suñu leaders yi nga xamante bëgg nañu culture avancer. nañ ci japp japp ci moy amul dem. Euh, euh, je rapport ailleurs fay le lu nga mm-hmm. parce que que comprendre mm-hmm.

donc bu euh, centre culturel euh, élément yëpp maa ngi leen di ok ce sont les remerciements qui vont mettre fin à cette euh, à cette émission et Dada vous étiez dans notre émission Dada 100% culturel sur la Dépêche TV le technicien au doigt du feu M. Job. et voilà ce sont ces mots qui vont mettre fin à cette émission à la prochaine Inch'Allah.